mon père. nous ne pas après j'ai dit je j'ai pas hésité je me suis j'ai dit oui et puis quand on s'est réveillé tôt je suis venue. alors donc pour répéter comment ça a été c'était difficile. c'était difficile mais j'ai na encore. Uh-huh. parce que j'étais j'étais contente j'étais ravie de faire ça et aussi ça m'a plu xam nga Ousmane Sonko. oui. Hmm. Ah, ah, parce que mon père. parce que. mon père il est politicien. Hmm. et il est toujours avec Ousmane Sonko. Hmm. Sonko. je sais il est gentil. je sais qu'il ne yor projet Wow. 2050. ok alors tey lan projet que tu as joué pour projet mes amis aussi je les remercie parce qu'ils ont toujours été là pour moi. Merci beaucoup. Allez, bonne chance. Euh, le grand, Mohamed. Mm-hmm. Mohamed, viens. Mohamed, oui. Mohamed, viens, Mohamed. Mohamed, comment vous allez vous appelez comment Moi, je m'appelle Mohamed. Euh, vous êtes de quelle classe Moi, je, je, je suis de, de, la classe de CM2. CM2, vous habitez où J'habite à Pékin. Pékin, Pékin nga Pékin nga dëkk. Quand euh, moo la invité ci projet Quand euh. kan moo invité ci projet bi. kii invité. on la invité mm-hmm. mais content de participer ci projet bi. waaw Eh, xam nga lan mooy projet bi référentiel bi xam nga ko pour 2050 xam nga ko eh, d'accord mais tay sa xarit yi lan nga leen di wax sa waa kër say mbokk say am di jam parce que tay sénégalais yëpp ñu la doon sétane sinon adina bi yëpp waaw damay wax rek ni kon kon kontaan naa rek di li ma doon seetaan te maa leen ngi remercier xam nga Ousmane Sonko xam nga Ousmane Sonko waaw lan moo la gën a neex ci Ousmane Sonko. mën nañu arracher quelques mots en tant que père euh, voilà présenté wu d'abord. waaw euh, Mohamed euh, responsable politique au niveau Pikine Est donc en même temps nekk comment dirais-je. un euh, producteur fait euh, le projet ça a été euh, vraiment un plaisir d'abord que vous présenter parce que c'était une vision on nous a demandé vraiment de faire vraiment les scénarios possibles et que comme que est et que ça regroupe des générations on a jugé nécessaire de faire une conception il y aura vraiment les générations représentées Nous avons fait ni de pour donc euh, vraiment un scénario boo xam scénario bu am euh, donc mu am aussi mu me xale bi nga xam te ne sama doom la mu def euh, vraiment une illustration xam ça a été apprécié vraiment par tout le monde donc loolu fierté la waaw bon c'est c'est à travers une maison de production que je salue au passage Kuro Production une maison de production très sérieuse qui nga xam impliqué vraiment cette production yu donc quand ils ont fait le casting, euh, vous-même vous pouvez rendre compte qu'elle euh, a su vraiment intégrer avec euh, Vision. Et puis bon, c'est quelqu'un qui euh, répondre à ce que nous voulons. Donc effectivement, après on nous a appelé, nous vraiment le bon, euh, concept maîtrisé. Donc nous avons compté sur pour que nous def faire nga xamanteni moy film bi représenter vraiment visualiser le projet bi nga référence mom référentiel 2050 sentiment nga am en tant que père sa doom bokk si projet bu toll nii parce que histoire da koy bind aussi. waaw fierté fierté vraiment c' est une très grande fierté vraiment boo ne ni moom euh, euh, dès l' nos ça a été une fierté pour sa maman d' abord pour ñun ñi nga xamante ni bon ñu tamit ñooy euh, dañuy yëngatu si si si si si ci comment dirais si projet bi donc quand nous a annoncé que ni moom moo koy def. vraiment ça a été une très grande fierté vraiment tamit ñu siy remercier ñëpp ñi nga xam te mu aboutir li nga ñu ñëw fi tey. ëllëg di am loo mën a nettali sa sinon sa ëllëg dina am lu mën a. waaw certainement bon l'histoire retiendra que ni vraiment euh, li nga xam te ne fii lañ ko indee tey euh, projet bi mu nekkoon loo xam ne dañ ko doon wax depuis des années et des années et des années tey lancement bi. Euh, moom mu ñëw participer si l'histoire retiendra ça et ñaan yàlla rek lépp li nga xam te ne mu am ko comme ça mu nekk nettali boo xam ne nekk bu rafet bu rafet lay doon. merci beaucoup merci beaucoup.